démocratie participative, la commune de Wachinan Nemzat. Ben, j'en fais une appréciation très positive, euh, surtout dans sa phase euh, application et dynamique opérationnelle, euh, pour dire en tout cas merci à ECOPAS et à CISV pour avoir compris les préoccupations des populations dont nous avons la lourde responsabilité d'administrer à travers les quatre communes membres du projet à savoir euh, Yumbel Nord, Sam Notaire, Djarim Limamoulaye et Wakhenan Nimzat, euh, les, encourager, mais également réaffirmer toute la disponibilité des collectivités locales euh, à participer surtout dans la phase opérationnelle du projet. les remercier également, surtout sur la dynamique de compréhension, surtout par rapport à l'inclusion. Aujourd'hui, tout le monde sait que les changements climatiques sont, sont, devenus une forte préoccupation de la communauté internationale. Et c'est pourquoi euh, nous nous en réjouissons. Et les quatre communes membres du projet ont également des préoccupations fortes en matière de gestion de l'environnement, surtout par rapport à la bande verte, qui aujourd'hui euh, en tout cas une, problématique de nos, de nos, administrés. Euh, c'est pourquoi nous, nous avons cherché à comprendre, mais également à accompagner. Je le disais tantôt, que ce projet est un projet de cœur, parce que ça, ça permet à nos populations de, de régénérer le souffle dynamique dans le cadre de la problématique de la gestion de l'environnement. Mais, mais, mais beaucoup de choses, beaucoup de choses, je l'ai dit, ça va insuffler un souffle nouveau souvent nouveau parce que euh, tout le monde sait qu'il y a eu, euh, euh, en tout cas, une agression très forte de, de, certains acteurs de la communauté sur cette bande de Filao. C'est pourquoi, en rapport avec les services concernés, des eaux et forêts et le ministère de l'Environnement, euh, euh, nous, nous, avons, bien apprécié le vaste programme de régénération de cette bande de Filao, euh, surtout par rapport aux quatre communes partenaires, qui est devenu une, nécessité absolue, surtout pour accompagner les populations par rapport à la conservation. ñeenti commune yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk projet bi muy euh, yëmbal nord sam notaire njaareem bi maamu laay ak waxinaan nimsat mu mel ni tey euh, gise daje tey dafa ñëw di feddali pas-pas ak taxawaay bi nga xam ne askan wi mi ngi koy mi ngi am yaakaar ci ñi nga xam ne ñoom ñooy collectivité locale yi ndax ñu ñëpp d' accord nañu ni environnement dafa bokk ci compétence yi nga xam transféré nañ ko collectivité locale euh, mu mel li nga xam taxawal nañ ko ak niñ ko nasee jël askan wi jël leen jox leen projet bi ak ñoom won leen ñoom niñ koy màndargaale ba bu ëllëgee ki si biir mu nekk mu nekk seen njariñ loolu dafay lu am solo moo tax ñun ñi nga xam ni ñun la yàlla def ñu ànd ak ñoom di leen administrer ñu rafetlu boobu taxawaay di wax ni bés ni ki ñun dañuy ŋàbb projet bi gunge ko jàppale ko ba bu ñoom ñi nga ñoo ci def seen alal ànd ci ak waa ECOPAS du ñu am dara luñ ciy réccu parce que njariñu askan bi waaw dafay defaraat dafay defaraat ndax ku ne xam na ni euh, naataange euh, dafay lu am solo ci ci doomu aadama surtout ci euh, géej gi nga xam ni saa su ne ñu ngi koy jooy di ko di ko di ko wax fu nekk parce que gis nañu ba tey nit ñi dugg fi dagg ay filaawo yu bari tibb suuf si loolu euh, xeex nañ ko jooy nañ ko wax nañ ko mais taxul taxul mu saafarawu kon su projet bi ñëwee pour jàppale ñu ci loolu ñun dañ koy rafetlu ba pare ànd ak ñoom euh, defar suñu taxawaay boobu ëllëgee ki si biir lépp nekk njariñu askan wi parce que nag euh, tey dañu war a defaraat band boobu ba bu ëllëgee ki si biir mu war a nekk loo xam ni dafay jur ak am lu baree bare baree bari ci askan wi ndax te un dafa nekk tey euh, euh, euh, benn phénomène mondial boo xam ne ñëpp ñu ngi koy waxtaane kon suñu yàlla dimbalee ba projet bi ñëw ci ñun loolu dañ koy sant di ko rafetal di ñaan yàlla ñu yàlla ñu ci yàlla may ay ndam yu bare bare bare. Oui, aujourd'hui nous sommes en train de faire la première manifestation de communication publique de ce projet EcoPass qui est promu par notre ONG avec un partenariat euh, avec d'autres ONG italiennes, d'origine italienne, telles que Sunugal, qui est euh, créée euh, par des ressortissants qui se trouvent en Italie, mais qui ont une histoire ici dans les, territoires. L'ONG IPSIA, la commune de Milan, l'université de Turin en partenariat avec l'Université de Dakar et en particulier nous, en tant que CISV, nous sommes sous la tutelle de la FONCS Action Paysanne de Thiès. L'objectif, c'est écrit dans, dans les titres, c'est harmoniser tout effort et disons toutes caractéristiques euh, résilientes euh, de, écologiques euh, qui, qui, se trouvent dans ces quatre communes, les renforcer à travers plusieurs approches telles que les dialogues structurés et aussi d'autres activités de renforcement pour la création de l'emploi. Euh, en fait, c'est une lecture qui revient un peu à la situation, euh, je dirais, j'oserais dire mondiale, euh, c'est-à-dire qu'il y a le changement climatique qui est là. Dans ces jours, il y a les États qui se réunissent en Pologne pour voir un peu quels sont les défis autour euh, du changement climatique et la préservation aussi des ressources naturelles. Et je dirais qu'en particulier dans cette zone, euh, c'est la préservation, par exemple, du peuplement forestier le renouvellement, comme on l'a bien dit tout à l'heure, mais aussi voir l'accès aux ressources naturelles telles que l'eau et aussi la terre euh, pour euh, pouvoir euh, créer de l'emploi et régénérer un peu le territoire du point de vue de la nourriture, mais aussi de la, de la santé du milieu. Euh, oui, forcément, c'est l'être humain qui euh, fait une pression sur euh, son environnement, l'être humain en général, parce qu'il y a aussi la montée de l'eau, donc ça ne dépend pas strictement des gens qui vivent ici. Mais effectivement, c'est c'est une conscientisation que nous devons faire tous ensemble. J'ai vu une forte présence des femmes aujourd'hui et des jeunes aussi. Et c'est, disons, à travers aussi les êtres humains que nous nous allons ensemble voir quelles sont les opportunités pour un changement euh, génératif aussi des opportunités. Simona Guida.